il mi nga xam ne mën deux fois de suite dem na France mhm. même ça c'est jours euh, il a été l'invité euh, du président mhm. euh, Macron ben le premier ministre moom rek la dernière en date mon cette histoire avec ñi nga ne moo nekk sénégalais Thiaroye 44 ñenn ñi am si benn point de vue que le nouveau régime avec la France vous tourner. C'est si clair obscur euh, la ñu concrètement lan une c'est une relation avec la France ou sax euh, lan l'engin fas euh, deal on peut parler comme ça avec la France waaw man dama amuñu benn clair obscur suñu diggante en France. wala da ngeen ñëw ba ci pouvoir bi France doomu ndey scénario sans la France. non non suñu doomu ndey lañu. ah France seen doomu ndey la. la plus forte communauté sénégalaise de la diaspora vit en France. on a plus de 160 000 sénégalais qui sont en France. la deuxième communauté bi gën a ngand mu Italie avec mm-hmm. plus de 110 000 personnes sénégalais qui vivent en Italie. Mm-hmm. le troisième mooy Espagne. Mm-hmm. Euh, quatrième États-Unis, je pense. Donc, nous, on a une diaspora très éparse mhm. euh, dans le monde entier. Dès que une équipe de dëkk nous, ñun duñu suñu mm. France nous ak ne nous sommes pas d'accord avec la politique française à l'étranger La mm. ni France de jëflante yeneen de yi nous en Afrique ça doit cesser et ça cessera par force. Mm. même la France est consciente de ça. la France a besoin ngi comment réinventer ses rapports avec les anciennes colonies ils ont fait des séminaires, des symposiums, ils ont invité des chefs d'État, Sommet France-Afrique. Ils sont conscients que li won won on n'a pas de corruption. Hein. France, c'est le premier partenaire du Sénégal que nous première destination des étudiants sénégalais. mais le premier ministre Ousmane Sonko euh, a euh, discours am discours nga discours à chaque fois il yi dañu un discours qui est vraiment viral ces réseaux sociaux il faut que la France nous foute la paix. Mhm. Ah. mais maintenant euh, arriver au pouvoir. Euh, au pouvoir marcher sans la France euh, c'est chose inévitable. non non Arriver au pouvoir il faut il faut nous la France tu vas nous foutre la paix ah. donc pas. nous sommes pas Nous, nous nous nous. nous sommes pas... Nous, Nous, ne sommes c'est que la France. Euh, Mon première destination c'est les étudiants. Mm. en Europe. Mm. la France en tant que partenaire commercial. Mm. la France est presque le premier partenaire commercial de la zone euro. avec le Sénégal. la France est liée actuellement nous avons ñu avec une monnaie bien, mais xam ne moom le franc CFA France a une ñu koy donc France est un partenaire bien, mais non négligeable. pour autant nag ni fi à gars yi liggéeyal France dañ en France moom dafay jeex que France xam te wax ko clairement le message est très bien perçu les Français savent où nous sommes en train d'aller maanaam ñun liggéeyatuñu France dañoo fas yéene nag liggéey ak waa France maanaam liggéeyandoog France ak liggéeyal France du benn foofu lañ taxaw léegi nag euh, président Sonko li mu wax mais loolu mooy le sentiment de tous les Sénégalais mm. man dama jàpp ni y a un sentiment de dama Français y a yàpp ñu weesuwul il y ba des années après il y' a 5 à 6 sénégalais qui xam dam mm. ils sont morts pour la France ce n'est pas vrai c'est faux ils sont morts par la France la France moo leen rey ils sont pas morts pour la France on les a fusillés et nous voulons que la lumière soit faite sur ces massacres là que la France a fait c'est wax ni totalement clair ñu làqatuñu de même pour avoir des relations qui sont saines il faut que relations soient tegu si ak tegu respect mutuel la France est obligée de ñu respecter. la base militaire française il faut toog dinañu dem dem wala on n'a pas besoin de base militaire chez nous ndax ñun amuñu base chez eux. Le président Diomaye est de président du activiste. il faut tam Sénégalais yi xam ni le président Bassirou Diomaye Faye n'est pas un activiste. boo war taxaw di yuuxu ak di ak di nous sommes pas dans ce populisme là. Mm. c'est pas un populiste. c'est quelqu'un bi xam la il est il est il est il est droit dans ses bottes. très pondéré. Mm. de manière très réfléchie xam fi mu jëm ak naka la for demee mais suñuy waxu égalité waxuma sax masse française ba ci visa yëpp mais yëpp sax. di nga soxna Ndiaye. la réciprocité la réciprocité visa bu ñu demee ba 2029. xale yaa ngi topp di dee si géej gi waaw di nga suñu demee moo tax ma ne. on va évaluer les promesses que ce régime a fait au Sénégalais. Oui. On va les évaluer avant 2029 pour xool réellement yan ak lañ ci posé ak fa lañ ci toll. Mm. ñun dañoo gëm ni. andul mm. naw li nar a ànd ak waa adduna bi yëpp nag. Ah, sans exception amul kenn kee xam ne vraiment euh, mat nga ñu kilifa. Mhm. ba war ñu ilif di ñuy wax ñuy xool ak ñuy dox ñuy def. Mhm. donc aujourd'hui vraiment euh, nous allons aller vers tout ça étape après étape on se précipite pas. Euh, xuloowuñu. mais di ngeen def réciprocité. jéemuñu tamit ñaawoo ak yàqoo ak kenn. dañoo bëgg a tàqalikoo si jàmm ak teranga mm. ak tout le monde nag. tout ñu ko ne jëflante ci ñu ay ñu tolloo ñu bokk parce que la France a des intérêts ici. Mm. intérêt yooyu buggul kenn yàqal ko ko. Mm. Fass intérêt yooyu jaral na ko lu ne. Mm. intérêt yooyu ñu jug ñu pour yàqal ko ko waaye ni mu doon demee ñu koy jël euh, te Sénégal amu ci dara loolu du amati. Mm. Sénégal dafa nar a jaay ku bëgg jënd wala ku mën a jënd jënd bu France amee lu mu jëndee la jënd. France jënd dérangé wuñu waxuñu ne duñu jëfante ak France France ñu ko jaay non non non bu France mënee jënd na jënd mais li fi amoon ngay xool ba Euh, affaire bi taxoon Thierno Alassane Sall démissionné. oui fële à Total. def def appel def appel euh, ñëpp soumissionné euh, Total nekk quatrième. Mm. xaw ma cinquième. am yeneen offre yoo xam ne ñoo gën a baax Total pour Sénégal ñu bàyyi yëpp jox ko France. loolu mooy liggéeyal France Thierno moom nee moom yéen fu mu toll moom xàmmeetu leen na moom. Thierno nag vraiment nag xam nga Thierno. man dama ko dama ko fonk nag. dama koo fonk ndax xam naa ne nitu principe la. xam naa ni am na ay valeur te des fois day xaw a des day génn gàmm loolu man xaw ma daal xaw ma dafay laal ay xam xaw ma xam ay tur yu muy laal dama dama ragal ne xam ne moo koy aj ci kaw a kaw a kaw vraiment am xam ne daal Thierno foog mu ñëw ma jox ko yeneen awraat yi nga xam ne daal yu gën a dal parce que dafa amul lu ñor bi ko fiy màcc ah. xam nga euh, njàpp gouvernement qui s'installe mm. dans une situation que tout le monde sait. Mm. situation bi mais on a frôlé la catastrophe. dans ce pays il y am ay fragilités qui sont connues. Mm. ñu war a fexe xool ñu régler cette cohésion là avant d'aller dans les dans les dossiers de fond. Mm. on xoolee ñu réduction des constats defuñu ko instant en attendant parce que am na lu il tabax am na lu ñuy a pour dëkk bi dal ndax la cohésion et la paix sociale. l'un des piliers du président Diomaye xam ne le chantier il a le devoir de le régler régime boobu soo defagul déclaration de politique générale maanaam sa DPG bi nga xam ne mooy war a wane sa feuille de route fan laa fas yéene dem naka laa fay demee euh, pour ñu yi mun ci commencé débattre ñun DPG wu sax defaguñ ko pour man jàpp il est trop pour gars yi taxaw na yu opposé dañuy sànni xeer. Ah, euh, ndax il est trop ah, mais xam nga xam li xam ne gentleman bu leen may benn temps de. non euh, loolu c'est que jàpp ah. dafa am li xam ne ni il faut savoir raison garder dafa am li nga xam ne gentleman agrément dara. waaw bugaan moom man utal naa ko prof mat <laughs> <laughs> man montaram boobu laa bëgg mu dem jaay ko te fay impôts yooyu moo gën ci moom. ah di ah. Bougane nee na moom yow leen dara. Ah, bëgg a kii rek muselé. ah ñun gêné wuñu dama jàpp ni. ah Bougane ñu gêne pas non non pas du tout. est-ce que merewu leen Bougane mu leen jàppale wut si euh, kii mais mbooloo soxna jàpp jàpp Bougane dañu ko doon dimbali kese de. Bougane ko fi mu jàppale ñu. Bougane mu jàppale ñàkk jàppale am nañu ndam donc loolu ñuy xaar Bougane te Bougane mënuñu ko mere man dama jàpp ni Bougane dafa am solo ci réew waaw il doit jouer son rôle. man dama gëm ni opposition man ñaar dama bëgg opposition. Ah man dama gëm ni on doit être dans des débats yoo xam ne bëgg naa. ñoom di bëgg ñëpp di ay débats sur l'économie, sur la monnaie sur la fiscalité sur la politique étrangère du Sénégal. Mm. sur l' aménagement du territoire man la ñu war a waxtaan ci yii. Mm. parce que Sénégal fi la ñu war a aujourd'hui mm. suñu suñu suñu démocratie. dafa def benn prouesse ci 2024 bii. dëkk yu bëri duñu cité en exemple ne ah Sénégal de macha allah Sénégal il n'a pas de vérité. yàgg nañu xam Sénégal si waaye ils encore donné une leçon. man dama gëm ni aujourd'hui dafa am dafa la classe politique. xam classe politique ñu si xamoon mu nekkoon ñoom Moustapha Niass. ñoom Landing am na si wàll daf ci am wàll jeune la c'est que ni la nouvelle classe politique ils doivent donner un sens pour baisser à l'opposition au Sénégal. mais ils n'ont pas compris ça. non non nous, non nous voulons des opposants parce que la constitution M'a moo consacré. opposition opposition mais institution on en a besoin pour amul opposition doit avancer. mais la dafa am li nga une opposition reewantul ak reewante daa li opposition de ndax am na yoo vraiment respecter woo ñu lay déglu. <laughs> man non on doit se respecter. na gars yi waxtaan na gars yi am seen xalaat. bugaan si xam-xam la leen indi. bugaan amul xam-xam. Eh, professeur non wallaahi amul xam-xam bugaan amul xam-xam itam bugaan dama xam dara. waaw bugaan boo ko musul di. professeur ah, bugaan Thierno sax oui Thierno Assane Sall borom xam-xam la. Euh, a taxawal société am média amul xam-xam di dafa am média

dañoo votel Pastef waaye Pastef kese mënul defar Sénégal Sénégal kenn ku nekk am na ci wàllam kenn ku nekk war na andi participation mhm. kenn ku nekk en ce qui te concerne ak fi nga féete nga andi li nga am ñu boole lépp dajale lépp pour Sénégal am ndam ndax ñun ñëpp en fin de compte mais nous voulons Sénégal am ndam ñu bëgg Sénégal avance suñu ay doom nekk si jàmm on se bat pas pour nous on se bat pour notre peuple pour le futur de nos enfants loolu on peut le faire ensemble il faut que nous soyons dans la collaboration parce que la collaboration moo moo seulement la compétition. c'est vrai donc euh, ils ont leur place ils doivent s'opposer Moi, je respecte les opposants mhm. Mais inciter à une opposition de de qualité bien nga on doit continuer à inspirer le reste du monde. nous avons des leçons à donner. tout à fait dama le Sénégal du pays bu ndaw ndaw en superficie. Mhm. waaye nous, le Sénégal wax dëgg yàlla ndawul. et nous, kese ñoo mën a dimbali Sénégal pour Sénégal briller encore beaucoup plus haut et beaucoup plus fort euh, par la qualité de l'opposition, la qualité des débats dans l'opposition, avec les orientations parce que nous avons déglu. Moi mm. aujourd'hui, je suis en déglu ay xalat, comme à avons sal joxe xalatam, wala mm. bougal joxe xalat bi dafa am solo pour le Sénégal. Je pas dit que non non qui faru non, je vais dire que li am solo. Je veux dire que le président li dañ ko wara déglu parce que diw né nangam. Man japp na ni wala ni sax à terme mm. egg ci ben genre euh, cercle bi xamné ben forum mais de l'opposition bi xamné chaque acte. le président lui recevoir les syndicats d'ici, recevoir euh, euh, ay ay ay ay entité dafa recevoir l'opposition mhm. ñu toog andi de doléance comme chaque euh, premier mai de doléance jox président opposition tam derrière le chef de l'opposition opposition benn de doléance bi xam sur les politiques publiques sur les orientations sur les choix sur nangam nangam mais président président ko ci mhm. président instruction bu plausible c'est sérieux c'est utile mais bu jox instruction ay gouvernement de mhm. man professeur mhm. député euh,